The forum forum, studio Kalamgou, the forum forum, studio Kalamgou, the forum forum, studio Kalamgou, the forum forum, studio Kalamgou, the forum forum, studio Kalamgou, the forum forum, studio Kalamgou, the forum forum, studio Kalamgou, the forum forum, studio Kalamgou, the forum forum, studio 18h passé de 15 minutes à Nyamé, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés grâce à un réseau dynamique de radio partenaires qui s'est étendu aux localités de Tanuta, Madawa, Dakoro, Dogonduki, Walam, Tera, Ngingimi, Kabalewa, Kwarategi dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit au total 31 radios qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangu. Chers auditeurs, aujourd'hui, vendredi 18 août 2017, le forum est consacré au décryptage de l'actualité et de la semaine marquée par la grève euh, des taxis moto communément appelée Kabou Kabu qui a complètement paralysé euh, le secteur des transports à Agadez. La nomination mercredi 16 août d'un délégué spécial à la ville de Niamey. La publication hier du rapport de la commission d'enquête indépendante sur les événements du 10 avril dernier, session de rattrapage de l'évaluation des enseignants créamins en espoir, le match retour du MENA contre la Côte d'Ivoire et l'organisation du Hajj 2017 avec nous pour euh, développer euh, ce thème. Euh, Ouseni Issa Jibo, journaliste indépendant. Ouseni Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également dans ce studio Jafar Maman, directeur de publication du journal Indépendant Plus. Jafar Maman, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Abba Kari Arimi, journaliste à la radio alternative, et nous avons aussi Moussa Maman, journaliste à la radio Nomade FM depuis Agadez. Moussa Mamana, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Kabukabu et tricycles de la ville d'Agadez, sont mécontents cette semaine. Ils protestent contre une décision du port obligatoire des gilets pour la conduite du taxi-moto. Nous avons au bout du fil Moussa Maman, l'un des correspondants en à Agadez. Moussa Maman, bonsoir et dites-nous euh, comment euh, on est arrivé à cette euh, grève de conducteurs du Kabou Kabou de la capitale Adulaïr. Merci Mokhtar, bonjour aussi, ou bonsoir. tout a commencé donc suite à une rencontre initiée par les procureurs de la République près le tribunal des grandes instances d'Agadez le dimanche 13 août dans la soirée une rencontre qui a regroupé le représentant des taxis motos, le représentant du sultan de l'Aïr, la police et la mairie. L'objectif de cette rencontre, euh, c'est de réinstaurer la sécurité de la ville d'Agadez et environ après plusieurs braquages milieu dans la ville et qui auraient impliqué certains conducteurs de taxis motos, affirme le procureur. À la sortie de cette réunion, le maire de la commune canadienne a passé euh, un communiqué dans les radios locales euh, dans lesquels il invite les usagers des taxis-motos à passer à la mairie pour retirer leur gilet. Donc avant le mercredi 16 août, et passé ce délai, ils s'exposeront à des poursuites pénales. Donc avant le délai, le mardi 15 août, peu le matin, les taxis motos, cabou et tricycles Lagade ont, ont, envahi le rue pour protester à cette décision du port de gilet. Ils ont sillonné les grandes affaires de la capitale de l'Aïe pour montrer leur mécontentement. Certains d'entre eux donc ont marché à pied en menaçant même leurs collègues qui n'ont pas respecté la décision. Les forces de défense là, donc euh, et de sécurité, sont sorties. 29 personnes ont été arrêtées ce jour-là pour attroupement et trouble à l'ordre public. Alors, euh, Moussa Mamana, comment les usagers ou les clients de ces taxis motos ont vécu euh, toute cette situation donc, on peut dire euh, euh, la population de la ville d'Agadez a d'abord appelé au calme et a demandé aux deux côtés de trouver une solution rapide de ces problèmes. Les deux jours euh, de grève sans taxi moto à Agadez donc, ont causé un impact sur les activités économiques de la ville, surtout les femmes et les personnes âgées qui n'ont autre moyen de transport que les motos tricycles. Et les différents marchés de la ville d'Agadez aussi se sont retrouvés vides et les commerçants aussi se plaignent même du manque de la clientèle. Alors, dernière question, Moussa Mamana. On sait qu'il y a eu des arrestations parmi les conducteurs euh, du Kabou et des négociations avaient été engagées, vous l'avez euh, affirmé tout de suite hier pour trouver une solution. Finalement, quelle est la situation au jour euh, d'aujourd'hui, vendredi, à Agadez Mon frère, on peut dire, le syndicat des taxis moto Kabou Kabou et Tricycle ont entamé une négociation, c'est vrai, avec les autorités. Donc, au dernier minutes, suite à cette négociation, 22 personnes dans les 29 arrêtés ont été libérées. Et 7 euh, ont été déférées à la prison civile d'Agadez. Le maire euh, euh, d'Agadez, le, le d'Agadez, a fait un point de presse hier soir pour donner aussi un autre délai d'une semaine à partir d'aujourd'hui aux usagers des taxis motos de retirer leur gilet. De faute de quoi cette fois-ci, la loi sera appliquée. Et on peut noter que la mairie a rehaussé le prix du gilet de 4 000 francs à 2 000 francs maintenant. Les taxis, euh, si on peut dire maintenant, les taxis moto auraient pris leur travail aujourd'hui. Et beaucoup d'entre eux ont commencé à payer leur gilet en attendant de voir la semaine euh, à venir. Alors, euh, merci. Et restez en compagnie de nos programmes Moussa moment depuis la capitale de l'Aïr. Merci. Merci. Retour à présent dans ce studio euh, à Niamey, des studios Kalangou, euh, Moussa Abachari Arimi euh, de la radio alternative. Est-il normal d'aller en grève pour de tels motifs En fait, tant qu'on ne sait pas les motifs vraiment réels, parce que moi je ne dis que c'est certainement normal qu'on demande le port du gilet au propriétaires ou, ou comment, aux conducteurs des euh, taxis motos parce que euh, c'est comme les taxis ordinaires. Ils ont non seulement le feu, mais ils ont une couleur euh, particulière. Et aujourd'hui, il y a même un numéro euh, qu'on peut distinguer à distance et tout. tout ça rentre dans le cadre de, de, respect vraiment de... C'est comme ça que ça se passe partout. Euh, maintenant, est-ce que c'est pour ça seulement qu'ils refusent, euh, qu'ils vont en, grève Si c'est le cas, euh, à mon humble avis, ce n'est pas normal. Maintenant, par exemple, là, votre correspondant vient de dire que le prix est passé de 4 à 8 000, à 10 000, soit une augmentation de 250 Ça, ce n'est pas normal. Pourquoi Quelle est la raison Est-ce que c'est des gilets d'une autre qualité qu'on leur propose N'est-ce pas euh, sinon, je trouve que c'est normal qu'on essaie de réglementer. Surtout à, Agadez, ils sont les principaux euh, transporteurs euh, privés interurbains. Donc, je ne vois pas pourquoi. mais il faut savoir vraiment les raisons profondes de ce, de ce comportement-là, parce que souvent chez nous, une décision cache une autre. C'est comme cette histoire de nouvelles plaques qu'on veut imposer euh, aux voitures, euh, on se demande bien pourquoi. Euh, on peut se poser aisément la question pourquoi on ne le ferait pas au fur et à mesure pourquoi ce n'est pas ceux qui viennent de payer des nouvelles voitures à qui on doit appliquer ça et au fur et à mesure, on élimine l'ancienne numérotation. Non, non, on dit vous avez un an pour changer. Et généralement, euh, en tant qu'usager, on se dit et légitimement que non, les gens cherchent de l'argent. Parce que la raison toute simple, c'est que c'est plus cher que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est aussi simple que ça, il faut chercher la raison profonde. Moi, je ne pense pas que c'est parce qu'on a juste voulu réglementer que les gens vont en grève. Ouseni Sajibo, journaliste indépendant, la grève a complètement paralysé le secteur du transport euh, urbain à Agadez avec euh, certaines conséquences. Avez-vous des échos Bon, mais je viens d'apprendre l'information. Je n'ai pas eu cette information. Mais je vais dire quelque chose, euh, quelque part, que dans des. pas seulement à Agadez que ce genre de moyens de locomotion, de transport urbain existe. C'est un peu partout. Dans les régions, c'est ça. Il y a des taxis, mais les taxis, dans certaines régions, on trouve des taxis, mais ce n'est pas un grand nombre. C'est plus les motos que les gens empruntent. Et les bien entendu. Ici à Niamey, ce n'est pas parce que c'est des taxis. Il est très difficile de voir, peut-être dans les quartiers isolés, il y a des jeunes gens qui font ce genre d'activité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réglementer. Il faut réglementer, c'est important. C'est important surtout quand on sait que c'est une zone d'insécurité il faut qu'on puisse identifier qui sont dans le secteur d'activité pour qu'éventuellement on puisse au moins se remonter quand il y a des, des problèmes, qu'on puisse savoir identifier c'est venu d'où, ça a été posé par qui, avec l'implication de qui. C'est important. Mais quand on voit un peu comment les choses se passent aussi, on se dit que le plus souvent, comme Armi vient de le dire, c'est souvent pour chercher de l'argent. C'est souvent pour chercher de l'argent. Parce que dès le départ, au niveau de toutes ces régions, je veux dire, hein, dès que ça commence, il faut chercher à réglementer, à l'imposer à ceux qui s'investissent dans le secteur. Il ne faut pas attendre quand ça va devenir, ça va prendre de l'ampleur, que c'est à ce moment qu'on va chercher à réglementer. C'est ça qui pose problème un peu partout. On on a vu à Gaïa, je crois, une année, ça s'est posé, je ne sais pas, c'était l'année dernière ou je ne sais plus c'était quelle année, où les taxis motos ont, fait des casses. Il faut vraiment anticiper sur les problèmes. Il ne faut pas attendre que les problèmes se posent pour pouvoir chercher des solutions, pour chercher des solutions. Mais malheureusement, on a comme l'impression que dans ce pays, on attend d'abord que les problèmes se posent, ou quand on est en difficulté, on veut de l'argent, c'est un secteur quand même euh, rentable. C'est pour ça que les gens sont rentrés dedans. Aujourd'hui, ils sont peut-être en difficulté financière au niveau de la région. Il faut chercher de l'argent ou chercher de l'argent, bien entendu, avec ceux qui sont en train de faire cette activité-là. Parce qu'il n'y a pas de taxi. Les taximans ici au Niger, à Niamey, ils font rentrer beaucoup d'argent à l'État. Voilà un peu les explications que je peux donner par rapport à cette situation-là et qu'il faut coûte que coûte trouver une solution pour pouvoir débloquer afin que les gens puissent se déplacer dans la région. En tout cas, dans, la capitale même, parce que je ne parle pas de la région, c'est au niveau de la capitale que le problème se pose. Jafar Maman du journal L'Indépendant Plus, comment faire pour éviter de telles situations à l'avenir, surtout que de telles mesures existent partout en Afrique Oui, je pense que c'est une question de, respect des de textes et d'approche. Je pense que c'est la conséquence de, euh, c'est le manque de ces deux, deux, actions qui euh, probablement ont concouru à, ces débrayages-là. Parce que lorsque euh, je suis parfaitement d'accord avec Hussein qu'il faut organiser, c'est un secteur qu'il faut organiser. il y a quelques jours, j'étais à Maradi. Quand j'ai vu comment ils sont, les populations arpentent ces, ces moyens de transport, je me suis dit que quelles sont les mesures de sécurité Qu'est-ce qui me prouve que lorsque moi je viens, je suis un étranger et que euh, j'emprunte ces moyens de transport que je serai à destination en, en, sécurité. Et c'est là, euh, c'est tout à fait normal. Euh, mais ici, je pense que le problème qui se pose à Agadez, c'est une question d'approche la, la Vous, vous, vous, vous, parlez du problème de communication. Au-delà du problème de communication, lorsque vous voulez réglementer un secteur, c'est tout à fait normal qu'il soit réglementé dans le contexte euh, insécuritaire euh, actuel et même euh, de la région. Mais euh, lorsque vous, euh, vous amenez des réformes, les mesures d'accompagnement devraient être souples. C'est-à-dire le coût euh, au lieu même de doubler le prix, c'est de le casser pour permettre d'aller vers cette réforme, de l'accepter et au fur et à mesure, vous pouvez améliorer peut-être euh, les rétributions issues de ces réformes-là. Mais vous ne pouvez pas euh, aussitôt appeler à une réforme, imposer une réforme et appuyer la réforme par une taxation. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Est-ce que vous trouvez que le délai est court les délais est court et même la procédure de lorsque vous, vous, lancez une réforme et vous, vous, euh, vous l'appuyez par, par une, un dédoublement de, de, de, la taxation, ça n'a pas de sens. La, la, réforme, elle a toujours une vocation pédagogique. Et pour qu'elle soit acceptée, euh, par les, populations, par les concernés, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et les mesures d'accompagnement ici pour permettre euh, aux, conducteurs, d'accepter cette réforme, c'était même de casser le, euh, euh, le montant puisque vous ne pouvez pas, aujourd'hui, ils ont tous le prétexte. Je pense qu'il y, y a eu la même, situation pendant la 5 République à Zander où on euh, imposait un certain nombre de, de, euh, pièces, d'exigences du moins, euh, que les conducteur n'ont pas accepté, même si quelque part encore, et à ce qu'avait souligné Ouseni, on laisse les choses pourrir et on essaie de rattraper. Et là, ça, a toujours des conséquences puisque les gens ont tendance à assimiler les habitudes au, au, au texte de loi. Le deuxième sujet du forum de la presse de ce vendredi porte sur la nomination mercredi d'un délégué spécial à la ville de Niamey en la personne de Mokhtar Mamoudou, le haut commissaire Niamey Niala. Jafar Maman du journal L'Indépendant Plus, comment avez-vous accueilli cette nomination? je pense qu'il euh, euh y avait un semblant de compréhension euh, que, euh, oh, qui, qui, qui atténue peut-être l'effet des surprises. Puisque depuis un certain moment, euh, le Haut Commissariat s'est résolu à pratiquement, même si on peut le, le dire, à chasser sur le terrain de, <laughs> du, président du, Conseil de ville Du, président de justement. Donc, je pense qu'il y a une, peut-être une difficulté de, de, euh, répartition de, responsabilités et de cahier des charges qu'on s'est dit même qu'il est préférable d'aller même prendre la, euh, la ville de Niamey et peut-être appliquer son programme de, de euh, qu'il a vendu aux Nigériens autour du Haut Commissariat. Selon vous, les consciences ont été, ont été, déjà préparées bien avant je, je, pense que le débat est déjà jeté dans la rue et les Niameyens, je sais que beaucoup ne sont pas surpris de cette nomination. Peut-être l'opportunité de la nomination, mais depuis euh, euh le départ de Hassan à euh, Seydou, on, s'attendait à, avoir euh, une telle nomination, puisque euh, à un certain moment, c'est pratiquement le Haut Commissariat qui faisait le, travail de, d'assainissement dans, la ville de Niamey. la Justement, en lieu place de la ville de Niamey. Ça veut dire que ce qu'il faut regarder ici, c'est que c'est le sort maintenant de, maintenant de ces deux institutions-là la, la, ville de Niamey, la ville de et, le commissariat, justement, puisque le, débat est clair. Le programme qu'il a mis en place là-bas euh, risque d'être euh, euh, risque de supplanter celui de la ville de Niamey. Et là, il y a probablement débat sur les le ressources, puisque en partie, je comprends que le départ de, ce qu'on a reproché aux, conseillers municipaux de, la capitale, c'est lié à l'assainissement, euh, à l'insalubrité, qu'ils n'ont pas véritablement fait leur travail. Mais le second aspect aussi, il, y est lié au moyens. Est-ce que lui, il aura le moyen, même s'il peut avoir le coup de franche, puisque c'est un administrateur délégué nommé par euh, le, président de gouvernement. Mais euh, il y a la question, euh, la de moyens. Est-ce qu'il aura le moyen pour relever pour vraiment relever le challenge, comme on dit. Ousseini Sajibo, quels sont les, défis qui attendent le nouveau délégué spécial Quel défi Je ne vois pas défi par rapport à quoi c'est pour incapacité que Hassan Seydou a été. Non, non, ça c'est un, mot qui a été utilisé. Hassan Seydou, c'est quelqu'un qui a été élu. C'est les populations qui l'ont élu dans le cadre de la décentralisation. Il a été élu au niveau de la mairie centrale après, comme avait dit, l'éviction de Omar Dogari. Qu'on dise incapacité. Mais j'ai suivi avant-hier à Maradi, il y a les maires qui est Ou entre autres greffes, on dit que la capitale économique est très sale, que le maire ne s'implique dans rien du tout. Si c'est cette question d'insalubrité-là, on va dégager tous les maires. Mais moi, ma préoccupation, c'est que on est dans un contexte de décentralisation. Dans un contexte de décentralisation, ça suppose quoi Quand les échanges arrivent pour organiser des élections, on se donne les moyens de les organiser. Parce que les élus ont un mandat limité dans le temps. Aujourd'hui, on vient un matin, on dit tous les élus de Niamey ont été euh, chassés. On les chasse tous. Sans motiver, parce que le conseil de ministre n'a pas motivé. Dès que j'ai entendu ça, je dis voilà les intentions. Vous, trouvez euh, cette décision illégale Non, c'est une décision illégale. Moi, je dis où on met fin à tout au niveau sur l'ensemble du Surtout que leurs mandats ont, voilà, les été, mandats ont, été, au moins deux ou trois fois. Deux fois, je crois, c'est la troisième fois cette fois-ci. Il faut aller vers des élections. C'est ça le plus important. Maintenant, le monsieur, il va venir. Et je l'ai toujours dit souvent quand j'interviens, c'est que a fait des doublons, ou on a même triplé dans ce pays. Il y a quand même des institutions qui sont chargées dans une capitale ou dans une région de gérer les collectivités. On se lève partout ailleurs. Ce n'est pas seulement à Niamey. Par exemple, Niamey, on met programme Niamey-Niala. Mais est-ce qu'on a besoin de programme Niamey-Niala quand il y a des institutions, il y a les collectivités qui sont là pour gérer les questions de salubrité, les questions d'assainissement de la ville. Il y a même un ministère de la salubrité salubrité on y a un autre ministère. Mais ça veut dire que il y aura un problème inévitablement où chacun va se mettre dans son coin. Parce que surtout ceux qui n'ont pas de ressources, ils vont se mettre dans leur coin pour ne pas faire le travail. Et ils ont été victimes. Moi, je considère que ceux-là qui ont été évincés, là, ils ont été victimes de ça. Mais ce n'est pas la solution. Vous nommez quelqu'un, mais les structures que vous avez créées, les autres structures parallèles que vous avez créées, ils vont servir à quoi On va continuer à payer des gens avec les ressources publiques, les mecs des biens publics, on va continuer à entretenir des gens pendant que le travail pour lequel ces gens sont payés, ce travail-là n'est pas fait. C'est ça les enjeux. Il va relever quel défi s'il n'a pas de moyens, on l'a dit, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a aucun défi qui puisse relever. Il va être dans la même situation. Maintenant, les gens peuvent fermer les yeux. Et ce n'est pas spécifique à Niamey, c'est sur l'ensemble du territoire que ce problème d'assainissement se pose. Abakari Arimi de la radio alternative, le nouveau euh, délégué spécial peut-il être à la hauteur Peut-il euh, réussir là où les autres ont échoué Mais écoute, euh, c'est tout est une question de moyens. Ça, les autres vient de, dire, euh, il n'y a pas de magie à la matière parce que c'est où tu as les moyens et tu travailles ou tu n'as pas les moyens et tu restes euh, là où tu es euh, surtout quand il y a le doublon ou le triplé comme Hussein vient de le dire il faut bien tracer le cadre vraiment d'intervention pour chacun de ces institutions si je peux m'exprimer comme ça Maintenant, il y a un maire central qui est nommé. Eh bien, quel, de quel un délégué spécial voilà, pardon. Euh, vous voyez que je, je, confonds naturellement. Avec quel moyen il va travailler euh, Parce que ceux qui sont là, euh, aujourd'hui, on brandit une certaine inspection, une, un certain détournement, machin, pour les faire partir. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on leur reproche Parce que euh, là où même le gouvernement a mis en place une structure appelée Nyamenyala et qui n'a pas pu faire grand-chose. Ce n'est pas les idées qui manquent, à mon avis. C'est comment passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, c'est les ressources. Ça pose euh, réellement le problème du transfert de compétences entre, euh, et de ressources, bien sûr, entre les mairies et l'État oui, ils ont un certain pouvoir, mais ils n'ont pas les moyens de leur politique, ça tout le monde le sait. Si tous les maires disposent de ces moyens-là et qu'ils ne font pas le travail, c'est facile de, frapper sur la table et pour les dire que ça ne va pas. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens, mais ils sont tous un à un supprimés. Mais en fait, c'est la décentralisation, la décentralisation qui est menacée aujourd'hui en réalité. N'est-ce pas Quelle décentralisation d'abord, c'était déjà boiteux, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, des personnes élues euh, dont le mandat a été prorogé une fois, deux fois en démocratie pour reconduire quelqu'un, on fait des élections. Donc, selon vous, il y a une insuffisance au niveau des textes ou bien les textes ne sont pas bien appliqués Ce n'est pas les textes, les textes ne sont pas bien appliqués. Après un mandat, qu'est-ce qu'on fait C'est des élections. On n'est pas à mesure de le faire parce que certainement les moyens manquent pour les faire. À qui de, chercher les moyens c'est l'État qui fait les, élections. Ils n'ont pas pu le faire, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Malheureusement, c'est cela, en fait. Autre sujet, après quatre mois, hier, euh, hier soir, la commission d'enquête indépendante sur les événements du 10 avril euh, sur le campus euh, de l'Université Abdelmouni de Niamey a, formellement publié son rapport. Le rapport a d'ailleurs été transmis ce matin au chef du gouvernement. Écoutons un extrait lu par le rapporteur de la commission d'enquête indépendante, Sheikh Ben Salah. La mort de l'étudiant Malak Lumi Bagalé n'a pas pu être provoquée par une chute sur une pierre. L'autopsie a révélé qu'il n'y a pas eu de signe de lutte sur le corps, pouvant laisser supposer que la victime aurait subi une chute brutale ou serait victime de coups et blessures. Ce sur quoi l'autopsie est formelle, c'est que la seule blessure diagnostiquée au niveau de la tête n'a pu être provoquée que par un objet contendant porté à bout portant. Les gendarmes affirment n'avoir ni tiré, ni entendu une détonation dans la phase d'interpellation au moment où le blessé Bagalé a été retrouvé couché à côté du béton déterré au niveau du grand portail. Ils ne l'ont pas vu non plus chuter. Ils ont fait une simple déduction de la chute à cause de la position du blessé par rapport au béton. Les étudiants témoins oculaires ainsi que le gardien de la cité présent au moment des faits affirment quant à eux que l'étudiant Malak Elumi Bagalé a fait plutôt l'objet d'un tir tendu par un élément de la gendarmerie. Le rapport de la police scientifique et technique corrobore la thèse du tir à bout portant à moins de 100 mètres et écarte en même temps l'hypothèse d'une chute fatale sur une quelconque pierre de la vie de la CEI. Mala Kelloumi Bagale a été victime du tir d'un projectile d'un élément non identifié de la gendarmerie. Des témoignages concordants soutiennent qu'il était en compagnie de deux autres camarades qui avançaient vers le portail de la cité pensant que les gendarmes s'étaient retirés. Par ailleurs, la pénétration au sein du campus par les forces de l'ordre a été effectuée dans des conditions d'une rare violence qui n'a épargné ni étudiants ni les autres composantes de l'université de Niamey. C'est le cas des patients et agents de santé se trouvant dans l'infirmerie, dont plusieurs se sont évanouis sous l'effet de l'inhalation de gaz lacrymogène et qui n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention du DG Senou, assisté trois éléments de la gendarmerie nationale. Au-delà de la mort dramatique de Malak Eloumi Bagale, il faut noter le cas d'un étudiant gravement fauché par un véhicule de la police qui garde encore des séquelles. Il faut également signaler le cas des étudiants poursuivis juste dans les facultés et dans les lieux de culte, ayant subi des traitements humiliants et dégradants, sans oublier le cas de l'étudiant dont la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux qui est pendant devant les juridictions. À cela s'ajoutent d'énormes dégâts matériels allant du bien public au bien privé, tant d'étudiants que d'opérateurs privés exerçant aussi bien au sein du campus et ses alentours qu'au niveau de certains établissements de la ville de Niamey. Pour avoir une situation exhaustive la CEI a requis l'expertise d'un huissier qui a reporté les dégâts et dommages. Voilà, Abba Chari Arimi de la radio alternative. Que pensez-vous du contenu de ce rapport Écoutez, euh, le cas le euh, plus médiatisé, le plus médiatique, en tout cas, c'est le cas de Mala Bagade. Et ça ne surprend absolument personne. On était tous euh, d'accord, contrairement à ce que le ministre euh, disait à l'époque où il est tombé, euh, oui, Kalla, Moutari, qu'il était tombé, qu'il s'est rendu lui-même, machin. Donc aujourd'hui, nous avons la preuve que vraiment c'est des contre-vérités qu'il a racontées. donc ce qu'il faut retenir, d'abord, hein, c'est bien que la commission euh, tiennent à dire ce qu'il a pu euh, retrouver, ce qu'il a enquêté et tout. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, moi, le sentiment que j'ai, et après, quoi N'est-ce pas Est-ce que c'est suffisant de venir dire <coughs> que euh, l'élément n'a pas été identifié Mais le plus important, ce n'est pas l'élément. Qui les a envoyés ils ont dit que les franchises universitaires ont été violées qui les a envoyés à, faire ce, à poser cet acte-là. On sait que les forces de défense et de sécurité, c'est des personnes très disciplinées. Il n'y a aucun euh, dirigeant, aucun. Surtout, quand il s'agit de la gendarmerie. Bien sûr, il n'y a personne qui peut dire euh, allez-y, les, les, étudiants sont en train de bouger. Non, pas sont en train de bouger, mais risquent de bouger. Parce qu'ils ne s'attendaient à rien, les étudiants, quand ils sont arrivés. Qui a autorisé le ministre de l'Intérieur était absent ce jour-là. N'est-ce pas Et pour quelle raison pour, rechercher quoi N'est-ce pas Donc, c'est lui qui a donné cet ordre-là. ils ont demandé d'intervenir comment Parce qu'ils ne sont pas en mouvement. les étudiants n'étaient pas en train de sortir pour manifester. Ils ont dit et répété qu'ils étaient en assemblée, qu'ils allaient faire une journée de réflexion. N'est-ce pas et une journée de réflexion dans un campus, c'est la chose la plus élémentaire qu'il soit. Ça n'a pas été, euh, on ne les a pas laissés faire. Qui a envoyé les forces de défense et de sécurité ce jour-là Quelle instruction a été donnée Y a-t-il un papier qui soutient tout ça là c'est ça qu'il faut savoir. Moi, je pense que euh, le, le, le, comité, la, euh, commission, d'enquête indépendante aurait pu aller aussi dans ce sens-là. Jafar du journal L'Indépendant Plus. À travers ce rapport, la thèse de la mort accidentelle est finalement écartée. Existe-t-il de nouveaux éléments dans ce rapport, selon vous Bon, de, nouveaux éléments, euh, c'est tout juste euh, euh, la confirmation de la position de, structures scolaires et étudiantines qui ont reconnu que, ou qui ont affirmé et qui ont insisté sur le fait que leur camarade, leur camarade n'a pas été, euh, n'est pas victime d'un accident, d'une chute, mais euh, d'un acte euh, bien, bien préparé, réfléchi, mais prémédité. Je pense que c'est ça la, la, la, principale information du rapport. La seconde, le second point important aussi, c'est la violation qui a été reconnue. La, violation des franchises universitaires. Et dont la conséquence a été la violence par laquelle les étudiants et même les agents universitaires ont été euh, euh, victimes. victimes. L'autre aspect, c'est les dommages. C'est vrai, il a, le rapport a fait des recommandations pour dédommager, mais je pense que la question principale, euh, c'est de savoir, maintenant que euh, euh, le, déroulé de fait de l'assassinat de, de, Bagalé est, connu, quelle est la conséquence Le rapport n'en dit rien sur cette conséquence. Mais est-ce que, est que les membres de cette commission ont cette prérogative Je pense qu'eux, ont euh, normalement, s'ils si ils n'ont pas cette prérogative, c'est que ils doivent, dans les recommandations, annoncées annoncer les possibilités d'aller vers euh, les poursuites judiciaires. Les poursuites puisque dans cette dans cette euh, affaire, je pense qu'il ne s'agit pas mais aussi qui, de qui, qui va porter plainte Mais c'est ça la question. Les parents de les parents de Bagalé disent C'est ça la question. Pas dans ce genre de rapport, on le sait. Et il y a à la tête de cette commission euh, le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Et généralement, dans ce genre de rapport, ils donnent des orientations euh, allant vers le respect des droits humains. C'est ça qu'on qu'on a attendu de ce rapport. Que bon, le, rapport est clair, le, euh, n'a pas été, euh, n'est pas victime d'une chute, mais euh, d'un acte prémédité. Quelle est la conséquence Il n'y a rien à ce niveau. Ils ont tout juste recommandé de la façon la plus précise dans les rapports que pour ceux qui ont perdu leur bien, ils demandent à l'État de les dédommager et pour celui qui a perdu la vie. On doit commencer par là. Mais je pense que l'État, euh, euh, euh, nous sommes dans un état de droit. Je pense qu'il y a peut-être la procédure va continuer au niveau, des tribunaux, puisqu'il y a immordant quand même. Hussein Jibon, Gibon, quelle doit être la suite à présent Bon, oh, mais la suite, à partir du moment où les choses sont claires, où on a dit voilà les circonstances dans lesquelles l'étudiant a trouvé la mort, je pense que la suite, c'est de continuer à pousser les investigations parce que c'est une bombe lacrymogène qui l'a percuté à la tête. C'est ça que les étudiants ont dit dès le départ. Mais quand même, <laughs> les gendarmes, ils savent, quand ils sont positionnés, on sait comment les gens sont positionnés. Maintenant, s'il faut juste dire aux Nigériens que voilà comment l'étudiant a trouvé la mort, sans pouvoir, ce n'est pas le gendarme surtout, mais qui c'est le responsable politique qui a instruit la, la, les forces de maintien de l'ordre à se déployer sur le campus et passer à l'acte. Qui sait? Il faut qu'on le trouve parce que c'est ça qui est pédagogique et le sanctionner. Tant qu'on ne l'aura pas fait, demain aussi des choses comme ça vont se reproduire. Parce qu'il faut créer des situations de pédagogie où, quand vous êtes en position de pouvoir, vous savez qu'il y a des risques que vous prenez quand vous posez certains actes. Il ne suffit pas simplement peut-être de sanctionner l'élément qui a tiré. Il faut sanctionner surtout celui qui a instruit pour aller et mater les étudiants. Et pas seulement les étudiants, tout le monde. Et c'est ça, ce travail-là qu'on n'arrive pas à faire depuis 90. On n'arrive pas à faire ce travail-là les responsables, parce que eux, c'est des exécutants, ceux qui étaient sur le terrain. Les responsables, c'est les politiciens qui sont là assis. Mais, mais c'est un autre manifestement illégal, les franchises, la violation des franchises. mais, pourquoi, pourquoi les, agents sont, tenus d'exécuter un ordre manifestement illégal euh, Il y a eu combien d'ordres manifestements illégaux, manifestement illégaux qui ont été, et, comme avait dit, suivis Parce que quand les gens vont sur le terrain, ils, reçoivent des, des formations par rapport au maintien de l'ordre en lien avec le respect des droits humains. Ils ont toujours reçu des formations. Il y a eu beaucoup de formations. Au Sénissa, nous savons que dans ce pays, il y avait eu plusieurs rapports de commission hmm. d'enquête qui ont été faits, mais sans suite. Est-ce que cette fois-ci, on peut espérer Moi, vraiment, je suis là, j'attends. Je ne vais pas m'avancer. Parce que <laughs> il y a même à l'Assemblée où on a bloqué, on a mis le pied sur des dossiers où on doit lever l'immunité des députés et de, comment vais-je dire, comment dire, euh, comment s'appelle la mise en accusation des deux ministres, on a mis le pied dessus du journal L'Indépendant Plus, le gouvernement nigérien compte organiser une session de rattrapage pour l'évaluation des enseignants créés à main. Pensez-vous que cette initiative, que pensez-vous de cette initiative du gouvernement Peut-être euh, on voit une sorte de retour à la sérénité puisque au départ euh, euh, les arguments étaient tellement dur que ceux qui n'ont pas composé seront sanctionnés. Et Mais je pense que dans le contexte actuel du système éducatif, on n'a pas intérêt à perdre euh, des enseignants expérimentés et d'où la nécessité de, de, donner la chance à ceux qui n'ont pas composé de le faire, euh, puisque ici, euh, le gouvernement devrait toujours adopter une attitude conciliante au lieu d'aller vers un rapport tendu avec les syndicats, je pense que c'est le grand perdant dans ce genre de, rapport, sur le gouvernement. Et en optant pour euh, euh, cette deuxième chance, je pense que c'est un retour à la sérénité et on espère que ça se passe dans la plus grande transparence puisque euh, c'est de ça qu'il s'agit. On connaît comment se tiennent les, examens et concours dans ce pays. Euh, ici, il s'agit euh, d'un secteur assez sensible et qui manque d'ailleurs du personnel. On sait que le, c'est un secteur qui n'a pas assez d'enseignants. Moi, je vais un peu plus loin au-delà de cette deuxième épreuve de concours, c'est de voir même comment pallier euh, euh, le manque courrières d'enseignants qu'on vient encore de créer, puisque déjà avant même le, ce, test, on sait que c'est un secteur qui a besoin d'enseignants. Et avec la situation actuelle, je pense d'ici octobre, le gouvernement devrait multiplier des initiatives pour trouver des enseignants. Ousseini Sajibo, contrairement aux années précédentes, cette année, l'acheminement des pèlerins nigériens en terre sainte de l'islam se poursuit sans incident majeur. Qu'est-ce qui explique euh, ce changement mais tu me poses une question, Cole, parce que je ne suis pas dans le secteur, quand même. Je constate tout simplement que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes au niveau du transport des pèlerins. Et je m'en félicite, je, suis réjoui que, comme les années antérieures, ce n'est pas de manière euh, à la dernière minute, de façon catastrophique avant la fermeture des frontières qu'on achemine nos pèlerins. C'est une bonne chose. Ça veut dire que de plus en plus, il y a quand même euh, un travail d'organisation qui est en train d'être peaufiné et que on espère que ça va se maintenir durablement. C'est un phénomène qu'on ne connaissait pas auparavant dans les années 80 jusqu'à 90. Les pèlerins médiens étaient acheminés, en tout cas, quand c'est le délai, la période, on les acheminait sans problème. C'est au cours des dernières années que le problème s'est posé, le problème des transports. On s'est dit, aujourd'hui, on peut se réjouir qu'il n'y a pas ce problème. En tout cas, pour une année, pour une fois, on n'est pas confronté à ce genre de problème et on souhaite que tous les pèlerins puissent être à destination avant la fermeture des frontières. En espoir, demain samedi 19 août, en principe, il y aura le match retour entre le MENA et les éléphants de la Côte d'Ivoire à Abidjan dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations. Abba Chariarmi de la radio alternative, quelles sont à présent les chances du MENA pour les qualificatifs Écoutez, euh, sur euh, un match, le MENA a une euh, avance de un but n'est-ce pas Parce que la semaine dernière, euh, ici, les 11 Nigériens ont gagné par euh, deux buts à un Donc c'est l'avance là qu'il va falloir euh, gérer ce qui est extrêmement compliqué pour qui sera extrêmement compliqué pour le MENA. D'abord parce que le MENA a, eu une semaine très tumultueuse. Ils ne sont partis que dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Euh, pour jouer le match demain. Dans quelles conditions euh, Bon, c'est par avion, mais euh, ils étaient hébergés au centre. ils n'avaient pas de mise au verre réel. Ils mangeaient comme vous et moi. Euh, ce qui <laughs> n'est pas normal. ouais, vous... ce n'est pas. Il vous et moi, c'est un plat normal euh, qu'ils mangent, alors que c'est des sportifs euh, de haut niveau. Ils doivent être, ils doivent avoir une ration très contrôlée. Voilà, ce n'est pas le cas. Et les Ivoiriens, avant de venir à Niamey, ils avaient déjà empoché chacun 5 millions. C'est pour dire que les dispositions d'esprit ne peuvent pas être les mêmes entre les deux équipes, sans compter euh, que euh, sur le terrain, l'équipe de la Côte d'Ivoire, ici déjà, a démontré, particulièrement en première mi-temps, un savoir-faire euh, vraiment très, très avancé. Donc euh, oui, c'est une compétition à laquelle le MENA est habitué, parce que si on se qualifie cette fois, c'est pour la troisième fois qu'on va participer. On a déjà fait une très bonne participation au Soudan. Euh, l'année dernière, ça ne s'est pas bien passé au Rwanda. Mais nous avons, c'est une compétition, comme je l'ai dit, sur mesure pour le MENA. Parce que nous avons une équipe beaucoup plus constituée de joueurs locaux tant pour l'équipe A que pour celle-ci pour, ou pour une autre. Alors que les autres, leur équipe A ne dispose, tu peux même ne pas retrouver un joueur local là-dedans. Donc c'est cela. On espère, parce que c'est la seule compétition où on reste en lice, en dehors de la Coupe du Monde des cadets, qui s'en vient en octobre prochain. Euh, il faut compter sur la chance, mais je crois que nous, 25% de chance pour nous. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de la presse de ce vendredi 18 août 2017. Nous étions avec Abba Karyarimi, journaliste à la radio alternative. Nous étions également avec Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant, et Jafar Maman, directeur de publication du journal indépendant en plus. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Euh, je vous retrouve lundi à 18h15 avec les anciennes gouloirs du Niger, le cycliste Abdou Jibo, le boxeur Issa Kadabouré, et le comédien Yajidogo. Avec eux, nous parlerons de leur prouesse et ils nous diront pourquoi ces disciplines sont en déclin aujourd'hui. Merci, au revoir.